forum district the forum district the forum district the forum district the forum district Il est 18h15 à Niamey et c'est l'heure du forum du studio Kalangou. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité au programme du studio Kalangou. Les programmes du studio Kalangou sont diffusés en direct par 34 radios partenaires dans toutes les 8 régions du Niger. Des programmes aussi disponibles sur notre page Facebook Studio Kalangou, notre site internet www.studiokalangou.org et sur WhatsApp. Aujourd'hui, le forum du Kalangu a pour thème droit à l'éducation, défis, difficultés et perspectives euh, du secteur au Niger. La Déclaration universelle des droits de l'homme en son article 26 stipule que toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire et fondamental. L'enseignement élémentaire est obligatoire. L'enseignement technique et professionnel doit être généralisé. L'accès aux études supérieures doit être ouvert à pleine égalité à tous en fonction de son mérite. L'éducation doit viser le plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié. L'article 12 de la Constitution de la 7 République du Niger, à son alinéa premier, précise que chacun a droit à la vie, à la santé, à l'intégrité physique et morale, à une alimentation saine et suffisante, à l'eau potable, à l'éducation et à l'instruction dans les conditions définies par la loi. Avec euh, nos invités, nous allons parler des défis, les difficultés et les perspectives de la mise en œuvre du droit à l'éducation au Niger. Pour ce faire, nous avons le plaisir de recevoir dans ce studio B Aliou Hassan Samna, co-coordonnateur de la synergie cause Niger Sinaseb. Alio Hassan Samna, bonsoir. Bonsoir et El Amadou Mahamadou, inspecteur pédagogique et coordonnateur de l'Observatoire des performances de l'éducation au Niger, Open Niger. Elhaj Amadou Mahamadou, bonsoir. bonsoir. Au microphone, Mokhtar Hamadou. Avant de vous donner la parole, on va écouter d'abord Diafarou Saleh, directeur général de la scolarisation au ministère de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique. Diafarou Saleh, pourquoi l'éducation est-elle un droit au Niger Merci euh, de l'opportunité que vous me donnez de pouvoir m'exprimer par rapport euh, à un sujet qui est d'actualité le droit à l'éducation. Le droit à l'éducation au Niger, euh, en réalité, il tire sa substance de tous les engagements internationaux auxquels le Niger a souscrit. Et deuxièmement, ce droit à l'éducation est consacré par notre loi fondamentale, à savoir la Constitution. Et par la suite, il y a eu aussi, par exemple, la loi portant orientation du système éducatif nigérien. La Lausanne. Donc par rapport à tout ça, le droit à l'éducation est une réalité au Niger. Jafar Saleh, quelle est la situation du droit à l'éducation au Niger En fait, on peut parler d'un certain progrès. Quand vous prenez depuis l'indépendance, le taux de scolarisation était à 3% à peu près. Aujourd'hui, il frôle les 80%. Je crois que c'est une avancée significative. Également, en réalité, le droit à l'éducation, il concerne tous les citoyens quand je prends le système scolaire, il concerne les citoyens qui sont tous sans exception en âge d'aller à l'école, qu'ils soient de sexe masculin ou féminin, qu'ils soient bien portants ou handicapés, etc. L'État a l'obligation de leur garantir un droit à l'éducation. Et le chef de l'État l'a dit dans son message à la nation et dans tous les textes, en tout cas d'orientation du gouvernement, que l'État s'engage à assurer l'éducation à tous les enfants nigériens jusqu'à l'âge de 16 ans. Donc maintenant, ce qui est fait, on essaie de développer des stratégies pour rendre ce droit à l'éducation une réalité. Par l'accès, qu'est-ce que c'est C'est ouvrir les portes de l'école à tous les enfants qui sont en âge d'aller à l'école tous les enfants qui ont l'âge d'aller à l'école, sans exception, l'État a l'obligation de les accueillir. Par voie de conséquence, des efforts doivent être faits pour améliorer cet accès. Et pour améliorer l'accès, ça sous-entend la construction des classes pour accueillir les enfants en nombre suffisant. Et ça sous-entend également la disponibilité d'un nombre suffisant de corps d'encadrement, de conseillers pédagogiques, d'inspecteurs pédagogiques. Et ça va jusqu'au bas de l'échelle. Donc l'existence d'un nombre d'enseignants qualifiés et bien formés pour prendre en charge la scolarisation de ces enfants. Donc, dans un premier temps, c'est surtout la question d'accès. Il faudra que l'État garantisse l'accès. Mais aussi, après avoir garanti cet accès, il faut maintenir les enfants à l'école jusqu'à un certain nombre d'années. Parce que le problème, dans les années passées, dans le calcul de l'IDH, par exemple, l'alphabétisation était une dimension qui est prise en compte. Mais actuellement, c'est la durée de la scolarisation qui est prise en compte et qui remplace le critère d'alphabétisation. Ça veut dire qu'il ne s'agit pas de garantir l'accès à l'éducation, mais il faut être à même de garder les enfants dans le système scolaire le plus longtemps possible. C'est ça la durée donc de la scolarisation, qui est un facteur, une variable qui intervient aujourd'hui dans le calcul de l'IDH. Monsieur le directeur, garantir l'accès, il y a aussi la qualité à garantir. Oui, effectivement, vous savez, il y a un moment où euh, on avait mis l'accent sur l'accès. Maintenant, des années plus tard, nous nous sommes rendus compte qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont scolarisés. Il y a beaucoup d'enfants qu'on fait avancer, qui arrivent jusqu'au terme, par exemple, du cycle primaire, pour ne prendre que ce qui nous concerne. Mais en réalité, quand vous les évaluez, vous savez qu'ils n'ont pas le niveau de connaissance requis. Ils n'ont pas le niveau de connaissance, par exemple, qu'ils doivent avoir, que doit avoir un bon élève de CM2. Donc il y a la question de qualité, comme vous le dites, qui se pose. Des efforts ont été consentis par rapport à l'accès. Des moyens ont été mobilisés par l'État et les partenaires donc de l'éducation, mais on s'est rendu compte en fin de compte qu'il ne s'agit pas seulement de faire l'accès, mais il faut garantir la qualité de l'éducation. Et pour ça, aujourd'hui, les autorités en charge du ministère de l'Éducation nationale, après avoir pris conscience de cela, sont en train de créer les conditions pour garantir la qualité de l'éducation à travers l'élaboration et la mise en œuvre d'une feuille de route, dite feuille de route de qualité en rapport avec les partenaires techniques et financiers de notre pays. Est-ce que l'évaluation des enseignants fait partie de la recherche euh, de la qualité euh, tant souhaitée Effectivement, je disais tantôt, à un moment donné de notre histoire, de l'histoire de l'éducation au Niger, on avait mis l'accent sur le développement de la quantité, donc permettre à un plus grand nombre d'enfants d'aller à l'école. Ça s'est fait malheureusement au détriment de la qualité. Et on s'est rendu compte que par la suite, au nom de ce accès, au nom de cet aspect quantitatif qu'on a voulu faire prévaloir à un moment donné, on a encaissé des coûts par rapport à la qualité. Par rapport aux enseignants, on avait à un moment donné engagé n'importe quoi des enseignants qui n'ont pas le niveau, permettez-moi l'expression. Et on a également fait passer des enfants tout simplement parce qu'à un moment donné, il fallait pas avoir assez de redoublants, il fallait pas avoir assez de déperditions car le redoublement est perçu comme en réalité une perte d'énergie, comme une perte en tout cas de tous les investissements qui sont faits. Et ça rend le coût unitaire de l'éducation beaucoup plus cher. À un moment, on a décidé de faire passer les enfants. À un moment, on a décidé de faire une éducation donc au profit de la quantité et on fait passer les élèves et on a recruté des enseignants n'importe comment. Mais par la suite, quand on s'est rendu compte que la qualité n'y est pas, par la suite, quand on s'est rendu compte qu'effectivement nos écoles sont devenues des écoles où on fabrique euh, des gens à réalité qui ont euh, un niveau de connaissance à l'échelle zéro. Il faut donc justement en fait se raviser et partir sur des nouvelles bases. C'est pourquoi les autorités ayant pris conscience de cet état de fait, à un moment on dit il faut s'arrêter. Parce que pour avoir un enseignement de qualité, il faut avoir un enseignant de qualité. Or, je vous ai dit, au nom de la quantité, on avait recruté beaucoup d'enseignants qui n'ont pas le niveau ou qui ont juste le niveau BPC. Et vous le savez mieux que moi, à un moment donné, les gens étaient tous convaincus qu'il fallait trouver un BPC pour trouver un enseignement. Dans le temps, les enseignants venaient par vocation, mais par la suite, c'est devenu un gagne-pain. Donc, on s'est dit, il faut arrêter ça. Non seulement il faut arrêter, mais dans le rang de contracteurs, nous sommes dit qu'il faudra extirper ces enseignants qui n'ont pas le niveau de notre système éducatif. Parce que quand vous laissez un enseignant pour une question de sentiment qui n'a pas le niveau, imaginez le massacre qu'il va faire, la cohorte des enfants qu'il va avoir, prenez ça à l'échelle de 10 ans. Vous voyez bien. Or, nous, nous devons défendre le droit à l'éducation, nous devons défendre la qualité de l'éducation. Donc, on s'est ravisé, on a dit il faut que ça arrête. Et on a eu le soutien au plus haut sommet de l'État pour organiser cette évaluation. Et Dieu merci, au début, tout le monde était contre pratiquement. Il n'y en avait que les autorités qui l'avaient initié qui étaient contre convaincu de sa pertinence. Mais par la suite, quand on a enlevé les mauvaises graines, même les parents d'élèves sont venus se frotter les mains pour nous dire bravo, vous avez bien fait. Et on s'est rendu compte que notre système éducatif est truffé d'enseignants contractuels qui n'ont pas le niveau il en existe actuellement qui ont leur numéro matricule. Ça aussi, on va essayer de voir, Inch'Allah, comment on va s'y prendre pour, dans le but d'améliorer la qualité de l'enseignement ici au Niger. Diafor Saleh, quelles sont les difficultés auxquelles le Niger est confronté dans la mise en œuvre du droit à l'éducation Bon, les difficultés, elles sont innombrables. Quand nous sommes dans un pays comme le nôtre où tout est priorité, vous savez donc, les ressources ne suivent pas. Et c'est une, une de nos difficultés majeures. Aujourd'hui, malgré l'appui des partenaires au développement, l'État arrive à assurer Kahin Kahan ce droit à l'éducation. Certes, il y a eu l'accroissement du taux de scolarisation, mais jusqu'à présent, il y a quand même à peu près 30% d'enfants en âge d'aller à l'école qui n'ont pas accès au système éducatif. L'État est en train de s'engager dans le processus de garantir ce droit à l'éducation. Alio Hassan Samna, vous venez là d'écouter Diafar Souley, directeur général de la scolarisation au ministère de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique. Quels sont les défis du Niger dans la mise en œuvre du droit à l'éducation Lorsque le directeur parlait de, de certains instruments juridiques, nous sommes tout à fait d'accord avec lui. Et en dehors de ce qu'il a cité, il faut également citer la Convention internationale des droits euh, de l'enfant donc la CDI également, qui e, effectivement fait partie donc des instruments euh, du point de vue juridique euh, pour lesquels effectivement les enfants ont droit donc euh, à l'éducation. Mais d'emblée, je dirais que lorsqu'on parle du droit à l'éducation, il ne suffit pas simplement de permettre aux enfants d'aller à l'école, mais il faut créer les conditions pour que les enfants puissent d'abord étant à l'école, savoir lire et écrire. C'est extrêmement important. Aujourd'hui, on peut créer les conditions d'accès. Tous les enfants peuvent se retrouver. Tous ceux qui sont en âge scolaire peuvent se retrouver donc à l'école. Il a mais évoqué la qualité de l'éducation. Oui, oui, mais avant de parler de la qualité et par rapport à l'aspect qu'il avait évoqué, je tiens d'abord à dire que c'est extrêmement important qu'il faut créer les conditions pour que les enfants qui sont à l'école puissent donc euh, pouvoir lire et écrire. Il est extrêmement important. C'est de créer les conditions. Et créer les conditions, euh, je suis d'accord avec lui qu'il va falloir construire donc des classes, qu'il va falloir également euh, former les enseignants, qu'il va falloir également euh, faire en sorte que le matériel didactique puisse être là pour qu'on puisse amener les enfants à lire et à écrire. Quand on dit lire et écrire, pour l'enseignement primaire, il faut qu'il y ait un certain nombre d'outils nécessaires pour ça. Et à ce niveau, nous disons que, contrairement à ce que le DG a dit, nous, nous sommes convaincus que eh, les conditions ne sont pas réunies. Quand il dit que la recherche de la qualité, c'est dans ce sens qu'on est parti à l'évaluation. Mais après l'évaluation, ça a changé quoi Avant l'évaluation et après l'évaluation, est-ce que nous avons atteint la qualité Disons non. Les conditions de qualité ne résident pas dans l'évaluation. L'évaluation a été eh, organisée par le ministère. Vous voyez, quand, quand on s'assoit à l'aise et que on prend les discours donc euh, des hommes politiques et qu'on les compare à des moments différents, on se rend compte que véritablement ce qu'on dit et ce qu'on fait, c'est des choses qui sont Donc, euh, selon vous, à rien n'a changé Non, par rapport à la qualité, rien n'a changé. Moi, je suis, je suis sur le terrain, je suis à l'aise pour parler de cela, pour dire qu'aujourd'hui, par rapport à la qualité et par rapport à tout ce qu'on est en train de dire qu'on cherche la qualité, on n'est pas arrivé à l'atteindre. On n'est pas arrivé à l'atteindre, pourquoi Parce que simplement, même s'il y a la volonté, il y a également les prédispositions. Je prends par exemple, euh, vous savez, euh, l'enseignement euh, ou l'éducation, ce n'est pas, un, pas domaine où on, on décide d'un seul coup, on vient, on applique et on pense qu'on va trouver des résultats comme par la magie. La magie ne marche pas là-bas. C'est des programmations. Vous, prenez par exemple le, système de l'enseignement primaire, puisqu'il est du primaire, il en a parlé beaucoup du primaire. Donc euh, répondons dans ce domaine, un domaine où nous sommes également, je dis, dedans, pour dire que, regardez, quand on, prend euh, l'enseignement primaire, après l'évaluation, on a eu à faire l'évaluation, d'accord, mais on a évalué, des enseignants sont partis. et les conditions dans lesquelles les évaluations évoquées ont été opérées, tout le monde le sait. Il y a des enseignants, des enseignants qui n'aiment pas le niveau qui sont encore là. il y a des enseignants qui, avaient, qui ont les niveaux et qui ont été mis à la touche. la, preuve est là. Et nous en avons vu des, euh, certains simplement, par simplement leur, leur appartenance à des structures syndicales, on les a empêchés donc, euh, de subir l'évaluation. Pourtant, la valeur intersecte est là, la capacité est là. Donc c'est pour vous dire que l'évaluation est une décision politique. Elle a été utilisée par le politique euh, pour vraiment atteindre un résultat mais nous nous doutons que ce soit le résultat de la qualité. Mais ça a quand même permis au ministère, effectivement, de, donc, de faire de la résiliation illégale d'un certain nombre donc, de contrats donc, de nos camarades. Donc je dis simplement que pour qu'on aille véritablement vers la qualité, il faut qu'il y ait un programme cohérent. Regardez aujourd'hui, au niveau des ministères, au moment où euh, nous sommes dans une phase de ce qu'on appelle la remédiation, c'est-à-dire on a, on a arrêté un programme. Dans le programme, on avait dit que pendant deux mois, je vous dis bien, deux mois, voilà ce qu'on doit enseigner. Deux mois, c'est une période précise. C'est-à-dire, c'est des séances qui ont été prévues. Alors, au même moment où on est en train de faire euh, ces programmes de rémédiation, alors le même ministère prend les mêmes enseignants pendant la même période pour les amener à faire autre chose. C'est-à-dire pour aller, pour les amener pour dire que non, on doit vous fermer. Oui, mais écoutez, on ne dit pas qu'on ne doit pas former. Mais quand on doit former, quand on doit faire des innovations, quand on doit faire des réformes, alors tout doit être planifié. Le système de l'éducation, le système éducatif est un système très, très, très compliqué qui exige de ceux qui sont censés mettre ça en œuvre la cohérence. Il ne faut pas que une direction du même ministère fasse euh, fait une action au moment où une autre programme une action contraire, même si ces deux, euh, ces deux actions Selon il a vont réformes, mais les réformes, mais les réformes, quand on fait une réforme ou quand on fait des réformes, si on veut que les réformes donnent les résultats, mais il faut les évaluer il faut les évaluer. Est-ce qu'on peut nous dire d'abord, parce que la chose sur laquelle euh, le DG se basait, c'était euh, l'évaluation, mais qu'on nous dise, quand on a évalué les enseignants, ça a permis d'avoir quoi Les réformes que le ministère engage, beaucoup de réformes tuent le système. Si on fait une réforme, mais il faut aller jusqu'au bout pour d'abord essayer d'évaluer la réforme pour voir qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché. À l'école primaire, nous avons, nous avons assisté à la suspension du CFEPD. On l'a supprimé. Nous sommes donc maintenant dans un autre système. C'est des évaluations qui doivent être faites à plusieurs niveaux, c'est-à-dire au niveau euh, euh, de, l'inspection, au niveau de la région, puis au niveau national. Mais quand on fait ça, mais on doit le respecter. Mais même ça, on ne le respecte pas. Euh, les dernières, évaluations que nous avons eu à faire, je parle des évaluations du ce premier trimestre, au niveau par exemple des classes de CM2, les épreuves nous ont été proposées au niveau national. C'est en violation de ce qui est arrêté comme étant évaluation. Donc vous voyez, quand on fait des réformes en cascade, et quand on fait des, réformes pêle-mêle, alors on ne va aboutir à aucun bon résultat. La question de qualité, elle a été posée. Le problème de qualité est encore là. Et je pense que eh, nous devrons revoir notre système si véritablement nous voudrons à ce que notre système soit un système performant et si nous voudrons vraiment atteindre donc la, qualité. Aliou Hassan Samna, quelles sont les actions à mettre à l'actif de la synergie cause Niger-Sinaseb pour l'effectivité du droit à l'éducation au Niger mais écoutez, vous avez vu, nous avons dit qu'il va falloir que quand les enfants euh, aillent à l'école, qu'ils soient à mesure de lire et écrire. Mais la première chose que nous avons dit, il n'y a pas de magie. Pour que les enfants sachent lire et écrire, il faut que celui-là qui est censé euh, donc les apprendre à lire et à écrire puisse être dans les conditions. Mais lorsque vous êtes en classe, personne ne peut vous obliger. Vous pouvez rester en classe de 8h jusqu'à midi. Vous pouvez faire deux matières, vous pouvez faire trois, vous pouvez faire quatre. Celui-là qui est en classe et qui est censé enseigner l'enfant, tant qu'il n'est pas dans les conditions optimales, alors, quelles que soient les réformes, alors cela ne pouvait pas réussir. C'est pourquoi, au niveau de la synergie cause niger nous avons dit qu'il n'y aura pas de solution euh, miraculeuse. Mais la première chose qu'il faut faire, c'est d'abord de mettre les enseignantes et les enseignants dans des conditions idoines de travail. Mais écoutez, avant, mais avant, il y avait la qualité, vous savez pourquoi Mais avant, on enseignait même les élèves sous des arbres. C'était des paillotes les enfants étaient, étaient, étaient par terre. Mais pourtant, il y avait la qualité. Pourquoi Parce que nous avons des enseignants engagés. Sur les réseaux, vous voyez souvent, euh, les réseaux WhatsApp, on montre un enseignant à son temps, en pleine forme, en train d'enseigner, avec même des gestes pour montrer à quel point il est, il est joyeux, il est content, il est fier d'exercer son travail. Aujourd'hui, la profession enseignante, elle vaut quoi On a discrédité les enseignants. Les enseignants sont dans des conditions misérables. Même les engagements pris auprès des organisations syndicales comme la synergie cause Niger, où le gouvernement s'était engagé à faire des recrutements chaque année. Mais je vous dis, cette, année, il n'y a rien eu. Et l'année prochaine, il n'y aura que 500 contractuels qui seront recrutés. C'est-à-dire, et 5, 500 sur 56 000. Mais alors, est-ce qu'un enseignant contractuel qui pensait pouvoir faire carrière dans la profession enseignante et qui voit euh, l'avenir sombre puisqu'il ne voit pas donc la voie donc du recrutement, est-ce que celui-là sera engagé et compatible pour pouvoir le faire Je dis non. Donc nous, nous pensons que vraiment, euh, ce que la synergie a eu à faire, la première chose, c'était de créer, de faire en sorte que le ministère euh, nos partenaires puissent vraiment créer les conditions pour que les enseignants retrouvent leur, euh, pour que les enseignants retrouvent leur valeur et qu'ils soient enseignants comme avant pour que l'éducation et l'école puissent trouver ces lettres de noblesse. Mais tant qu'on n'arrive pas à ça, tel que soit ce que les uns et les autres auront à faire, alors nous sommes convaincus euh, que ça ne réussira pas. On n'aura pas la qualité. Et le droit à l'éducation continuera à être bafoué et bafoué par ceux-là qui sont censés nous diriger. Alhaji Amadou Mahamadou, quelle est votre lecture de la chose au sujet du droit à l'éducation au Niger Je vous remercie et je remercie donc euh, les premiers prédécesseurs, donc euh, aussi bien le camarade Alio qui est avec moi dans le studio que le directeur qui a déjà annoncé euh, deux défis en termes d'effectivité du droit à l'éducation. Euh, dans la lancée de ce qu'ils ont dit, euh, je pense également, comme a lui, que le premier élément, un des premiers défis que nous avons, c'est le fait d'asseoir une planification holistique du système, que l'on puisse voir du préscolaire jusqu'à l'enseignement supérieur, de façon à ce qu'il n'y ait pas les cloisonnement actuel euh, que notre système éducatif connaît et qui euh, souvent euh, pose véritablement les problèmes de la cohérence et de sa performance. Quand vous prenez souvent le premier niveau, c'est-à-dire l'enseignement primaire, vous allez voir qu'il est à 100 ans des autres segments du système éducatif, ainsi de suite. Et donc, je pense qu'il y a un besoin urgent euh, de mettre en place une planification holistique du système qui puisse poser les réformes d'ensemble pour euh, euh, le système. Je viens de, ou bien je suis dans une équipe qui est en train de travailler sur la mise en place d'une politique nationale de la fonction enseignante. C'est un élément extrêmement important. Mais même là, ça risquerait d'être à moitié parce qu'on euh, est en train de travailler sur les segments de l'enseignement primaire et de l'enseignement euh, euh, secondaire, un peu la formation professionnelle. Donc, vous voyez que, c'est-à-dire, toutes les réformes qui sont envisagées sont souvent envisagées à moitié. Et donc, ça pose le problème de la volonté politique nécessaire qu'il faut pour pouvoir impulser à notre système éducatif la vitesse qu'il faut pour pouvoir embrasser l'ensemble des préoccupations du secteur. Autre euh, défi qui se pose à notre euh, système éducatif, je vais l'appeler la stabilité dans le, dans le secteur. Vous savez que on a beau avoir les meilleurs enseignants, on a beau avoir les meilleurs textes, lorsque nous ne sommes pas capables de dire que nous avons une année scolaire de neuf mois et qu'il faut faire les neuf mois, c'est qu'il y a un problème. Ces meilleurs enseignants, ces meilleurs textes, ces meilleurs euh, didacticiens, ces meilleurs... Euh, tout ça là sera à moitié parce que les enseignants et les enfants n'auront pas neuf mois pour travailler. Ça sera euh, six mois, ça sera en tout cas quelque chose, un lambeau. Et c'est sur la base de ce lambeau qu'il faut établir une évaluation. Donc je pense que véritablement le, le défi du volume horaire à délivrer aux, euh, élèves est extrêmement important et il doit être euh, perçu comme un, euh, un défi. regardez un peu un enfant qui commence son cycle de CI, qui n'a pas eu neuf mois, en classe de CP, il n'a pas eu neuf mois, et qu'il va arriver à l'université. Si on doit mettre les bouts des jours qu'il aura ou des heures de travail qu'il aura perdu, en fait, ça lui fait combien d'années scolaires et véritablement dans son, dans son cursus. Donc je pense qu'il y a euh, cet élément qui est fondamental et qui renvoie également euh, à la mise en place d'un système euh, de dialogue social assez performant, un dialogue social capable à la fois d'être prospectif et également de créer les conditions de régler les problèmes. Un autre défi de l'effectivité du droit à l'éducation, c'est le problème du financement de l'éducation. La la loi euh, d'orientation du système éducatif nigérien, donc, a posé les bases du financement de l'éducation euh, avec une répartition des charges au niveau de l'article 60, euh, si je ne m'abuse. Et cela fait que aussi bien l'État que les partenaires techniques et financiers, que les collectivités territoriales, que les familles, que les secteurs privés les possibilités de dons et legs sont examinées pour pouvoir financer l'éducation. Mais quand nous regardons aujourd'hui, eh vous allez vous rendre compte que le mécanisme du financement repose essentiellement sur le budget national, sur les partenaires techniques et financiers. Nous savons par ailleurs que, toute chose étant égale, que le financement des familles, c'est un financement qui doit être considéré comme étant euh, assez colossal, vu la situation d'abord général du pays, mais également du fait que, au-delà des apports à, l'éducation que les parents font, c'est aux parents également d'assurer eh, le droit à la vie, le droit à l'habillement, le droit à la nourriture, le droit au logement, etc., etc., au bien-être, au loisir et tout cela. Quand on regarde cela comptabilisé au niveau de l'enfant, naturellement, c'est euh, quand même un, financement assez euh, consistant qui est là. Donc, je disais que nous pouvons moduler le financement de l'éducation euh, exclusivement au niveau de l'État et au niveau de ses partenaires, euh, des partenaires techniques et financiers. Mais au niveau de l'État également, il y a un certain nombre d'engagements internationaux auxquels le pays a souscrit, mais qui n'a dans les faits jamais euh, respecté. nous savons par exemple que dans le cadre du financement euh, du partenariat mondial pour l'éducation, en tout cas pour la première phase, donc de 2014 à 2018 pratiquement, les premiers financements, malheureusement, n'ont pas été. L'engagement de l'État de financer l'éducation à hauteur de 25% n'a pas été respecté. Et rien que cette année où euh, notre pays est en train d'envisager sa requête au partenariat mondial pour un deuxième financement, la fourchette pour l'année prochaine sera euh, d'environ 20% euh, euh, du budget national. 20% du budget national qu'il faut déjà prendre avec des pincettes, parce que comme vous le savez, une loi des finances élaborée, est soumise à l'Assemblée nationale qui l'a votée, mais que à la session de mars déjà, il faut s'attendre à ce qu'on demande un collectif budgétaire pour revoir à la baisse le budget de l'État. Et une fois que cela est fait, en général, les ponctions sont euh, faites au niveau des services sociaux de base, principalement au niveau du secteur de l'éducation. Nous avons 20% qui sont annoncés, on peut se retrouver à 15 ou à moins de 15% finalement des financements. Mais il faut dire aussi que, sachant euh, tous les débats qui se font au niveau de l'Assemblée nationale que nous n'avons jamais eu un budget qui a été exécuté à, 100%. Ça veut dire là également que le budget qui a été affecté à, l'éducation ne sera pas couvert à 100% euh, pendant euh, toute l'année budgétaire. Aladji Amadou y a-t-il un lien entre le droit à l'éducation et l'alphabétisation ou encore l'éducation non formelle Vous savez, quand on parle d'éducation, c'est un tout il ne faut pas seulement percevoir l'éducation comme l'enseignement primaire ou l'enseignement secondaire ou l'enseignement supérieur. Il faut voir ce vocable dans euh, toute sa dimension humaine. Et quand on regarde là, naturellement, dès que vous dites éducation, vous allez avoir à côté l'alphabétisation. Et c'est pourquoi maintenant, euh, même dans le cadre des objectifs du développement durable, on pose euh, l'ODD 4 en termes de garantir l'éducation aux enfants, mais pour ce qui concerne les jeunes et les adultes, on va dire donc l'apprentissage tout le long de la vie. C'est-à-dire au-delà simplement de l'alphabétisation, l'État a l'obligation de créer toutes les conditions qui puissent permettre à un citoyen nigérien, même en dehors du cycle formel, de pouvoir continuer à apprendre, continuer à se performer. Et, puisque c'est cela, c'est que le droit à l'éducation prend en charge toute cette problématique de l'enseignement, d'abord du préscolaire au supérieur, en passant par la formation professionnelle et technique, mais également les questions de l'éducation non formelle et de l'alphabétisation. Donc il n'y a pas de séparation possible pour cet ensemble-là. Diafor Saleh, quelles sont les avancées palpables enregistrées par le Niger à la matière Les avancées palpables, quand vous prenez, j'avais parlé tantôt de l'accroissement du taux de scolarisation. Ça, c'est quand même une donnée indéniable. Il y a beaucoup plus d'enfants qui sont allés à l'école par rapport même aux infrastructures d'accueil qui ont été développées, elles sont quand même innombrables. Et bon, malgré ça, les défis encore demeurent. Jafar Saleh, y a-t-il des perspectives heureuses pour le Niger pour atteindre les objectifs du droit à l'éducation Les perspectives heureuses, oui. Nous sommes en train de développer beaucoup d'initiatives avec le soutien de nos partenaires techniques et financiers. Quand vous prenez aujourd'hui par rapport à la scolarisation de la jeune fille, beaucoup de choses ont été réalisées et les partenaires techniques et financiers sont prêts à nous appuyer pour garantir le droit à l'éducation à la jeune fille. Beaucoup de partenaires sont prêts à nous appuyer pour garantir l'accès à l'éducation à tous les enfants du Niger. Certainement, avec le temps, les choses sont en train de s'améliorer. Et même par rapport à l'éducation inclusive, les enfants qui ont un certain handicap, il y a des partenaires aujourd'hui qui nous appuient pour les prendre en charge. Parce que nous nous sommes dit qu'on ne doit pas laisser des enfants à marge à cause de leur handicap. Donc tous les enfants doivent être pris en compte. Donc on a pris justement en fait euh, cet aspect-là euh, d'éducation inclusive pour prendre en charge les enfants ou qui sont aveugles ou qui sont sourds. Au même titre que les enfants normaux. Ça veut dire que ça aussi, c'est des efforts qui sont consentis par l'État pour éviter la discrimination, pour éviter un système éducatif à double vitesse. Et puis également, il y a d'autres systèmes de récupération d'enfants, ou qui n'ont pas fréquenté, ou qui sont déscolarisés. Faites allusion aux écoles passerelles Les écoles passerelles. On prend donc les enfants, on leur donne donc euh, un peu de la formation et ils réintègrent le système formel. Donc vous voyez, tout le dispositif est mis en œuvre pour garantir le droit à l'éducation mais les moyens ne suivent pas comme on le veut. Donc on est obligé d'aller pas à pas. Elage Amadou Mahamadou, quels sont les chantiers sur lesquels vous attendez le plus euh, l'État nigérien et ses partenaires pour l'effectivité du droit à l'éducation au Niger Je pense que le premier chantier, c'est celui vraiment de, de doter les enseignants d'une véritable politique euh, de leur fonction. Au-delà de tout ce qu'on fait comme bruit, il est essentiel de euh, professionnaliser le métier des enseignants. Ce n'est pas de la redondance, euh, c'est une réalité. Il faudra que euh, l'enseignant soit mis dans les conditions telles que il puisse garder son esprit de fierté. Parce que j'ai vu une vidéo, ça se passe au Nigeria, une fille qui annonce, dont les parents sont inquiets de savoir qu'est-ce que le jeune homme qui court la fille fait elle leur dit d'abord qu'il est mal makaranta, donc il est enseignant. Et maintenant, ils sont d'abord surpris. Hein. Puis, euh, quand la surprise est passée, le père, il dit non, ça doit être un enseignant de l'université. Elle leur dit non, c'est un enseignant du primaire. Et là, c'est encore euh, un effondrement. Donc, je pense qu'une fois que l'enseignant est remis dans toute sa fierté, c'est que eh, les opinions, les préjugés vont également changer. Deuxième euh, chantier, à mon avis, c'est le chantier de l'éducation inclusive. Eh, vous savez que eh, rien que cette année, on parle de près de 600 000 enfants nigériens qui sont hors système euh, éducatif. Euh, c'est extrêmement beaucoup parce que à l'intérieur, vous avez un peu du tout. Et donc, le chantier de l'éducation inclusive doit être un défi euh, que tout le monde doit prendre à bras le corps parce que les autres enfants, qu'ils soient les enfants en situation de handicap, qu'ils soient les enfants que nous voyons, les enfants qui fréquentent les écoles coraniques, qu'ils soient les enfants qui sont euh, des, les enfants des populations nomades, les populations des pêcheurs, Dernièrement, on a fait un gros débat autour des pêcheurs parce que les, les, gens ignorent même que dans euh, ce lit du fleuve euh, Niger, vous avez des populations euh, nigériennes qui sont des pêcheurs et qui sont avec leur pirogue généralement en mobilité selon le cours du fleuve Niger, qui ne sont pas implantés sur des terres et qui donc voyez des réalités comme ça. L'État a obligation de prendre tous ces aspects à bras le corps. À mon avis, peut-être le dernier défi que je peux, ou le dernier chantier, c'est le chantier vraiment de la révision de la loi d'orientation du système éducatif qui est née en 1998 et qui est aujourd'hui 20 ans et est encore euh, au chantier, un chantier de on va, on va, on va. Je pense qu'il est important que notre pays s'arrête pour doter ce système d'une véritable loi actualisée. Alio Hassan Samna, l'État a-t-il les moyens d'éduquer tous les enfants nigériens en âge d'aller à l'école, eu égard à l'explosion démographique que connaît le Niger Bien, disons euh, avant cela euh, euh, que lorsqu'on parle donc de maintenir les enfants à l'école, nous disons que c'est une préoccupation et une préoccupation donc vraiment nationale. Aujourd'hui, le constat que nous avons fait, quand vous regardez par exemple les enfants qui vont en classe de 6e au CEG, en fin d'année, vous avez au moins 70% de ces enfants qui sont exclus de l'école. Vous voyez donc ici véritablement euh, la question qu'on se pose. Est-ce que nous ne sommes pas en train de violer le droit à l'éducation de ces jeunes enfants euh, L'enfant qui a quitté la classe de, CM2 et qui se retrouve en classe de 6e, vous voyez, il est déjà dans une situation où il a beaucoup besoin de rester à l'école puisque dans la rue, on se pose la question euh, qu'est-ce qu'il va faire Et en posant la question à savoir est-ce que l'État a les moyens Mais oui, nous avons les moyens. Écoutez, euh, simplement, nous disons que est-ce que l'État met les moyens Est-ce que l'État a les moyens Ou bien est-ce que l'État met les moyens C'est deux questions différentes. Nous, nous estimons que l'État a les moyens. Quand on regarde les budgets, les budgets de l'État du Niger chaque année. Le, Niger a beaucoup de priorités. Mais écoutez, mais c'est dans les priorités qu'il faut se faire une priorité. On nous dit que l'éducation est la priorité des priorités. Après, donc la sécurité, c'est l'éducation qui vient. Est-ce que vous pouvez comprendre qu'en dépit du fait que le président de la, euh, le président de la République, son Excellence Elhaj Mohamedou euh, avait pris l'engagement d'injecter 25% du budget, n'est-ce pas, dans l'éducation, qu'on n'est jamais arrivé à atteindre pendant, ça fait 7 ans, 8 ans bientôt, on n'est jamais arrivé à atteindre 20% injecté dans l'éducation. Chaque année, on tourne autour de 15%. Pourtant, l'engagement est 25%. Vous voyez Donc si le président de la République prend cet engagement, nous nous estimons que 25% du budget, et eh, ce n'est pas trop. Et puisque aucune nation dans le monde ne peut se développer sans éducation, et 25%, nous estimons que ce n'est pas beaucoup puisque c'est ce que nous avons en fonction de notre budget. Mais malheureusement, comme euh, le grand frère Al-Hajj l'a dit, chaque fois qu'il y a le budget qu'on revoit en disant que on va faire donc euh, un réménagement, on constate que euh, c'est le secteur social de base là où on fait des coupes. Déjà aujourd'hui, maintenant la proposition initiale, la proposition de départ, c'est 20%. Déjà, on n'atteint pas les, 25%. Nous, nous avons pensé que la proposition de départ devrait être 25% et que peut-être en cours de route, on peut se retrouver à, 22 ou 23%. Mais déjà, c'est à 20% le budget et nous sommes convaincus que et cette année également, ça ne va pas dépasser les 15% euh, comme par le passé. Donc pour nous, on ne peut pas se poser la question à savoir si nous avons les ressources. Les ressources, nous les avons, mais nous n'arrivons pas à injecter les ressources nécessaires pour l'éducation. Et c'est là où c'est dommage. Et c'est là où nous disons que eh, c'est extrêmement grave. Et encore pire, vous voyez, je veux glisser un peu pour dire que nous avons tout à l'heure parlé, à travers ce que le grand frère a dit, des conditions des enseignants. Comment vous pensez que ces jeunes enfants-là peuvent être à l'école et maintenir à l'école lorsqu'ils ont un personnel, par exemple au niveau du primaire, où nous avons 56 000 enseignants contractuels Tant qu'il y a le contrat, tant qu'il y a des enseignants contractuels, il n'y aura pas d'enseignement de qualité. Ça, c'est une évidence, tout le monde le sait. Dans les pays de l'Afrique noire, vous pouvez vérifier d'intérieur tous les pays de l'Afrique, vous pouvez vérifier les pays dans lesquels il y a le contrat. Nous ne dépensons pas deux ou trois pays. cela veut dire quoi Tous les pays ont dépassé ce niveau. Pourquoi au Niger c'est ce qui tire le Niger vers le bas en termes d'indice de développement humain Mais ils le savent bien. Ah. Ceux qui nous dirigent le savent très bien. Alors, ah, Et ils savent que tant que le problème n'est pas réglé au niveau de l'éducation, autant de millions qu'on injecte, autant nous allons garder. Nous pouvons avoir un budget de 2000 milliards mais tant que ce n'est pas réglé au niveau de l'éducation, nous allons continuer toujours à avoir le même indice et nous allons continuer toujours à avoir le même classement, malheureusement. Hassan quels sont vos conseils, appels ou recommandations à tous les acteurs du système éducatif nigérien pour que tous les enfants nigériens en âge d'aller à l'école puissent être scolarisés dans des meilleures conditions rapidement Mais écoutez, la première chose qu'on se dit, le grand frère l'a dit, c'est le dialogue. Il faut qu'il y ait un dialogue social, il faut qu'il y ait un dialogue franc et sincère entre les différents partenaires, les différentes parties prenantes donc, du domaine de l'éducation. Nous pouvons, vous ne pouvez pas inventer, vous ne pouvez pas faire des réformes au niveau du ministère simplement parce que c'est le ministère et pouvoir réussir les réformes. Tant que les enseignants ne sont pas associés, tant que les parents d'élèves ne sont pas associés, tant que les enfants eux-mêmes ne sont pas associés. Donc nous pensons que le premier défi, il faut qu'on arrive à instaurer un dialogue social sincère. Il faut, deuxièmement, qu'on arrive à mettre fin la contractualisation au Niger. Troisièmement, il faut que l'homme politique se décide à investir plus d'argent de l'éducation euh, pour que nous puissions donc relever ces défis. Tant que ces trois conditions ne sont pas réunies. il y a bien d'autres, évidemment. Je suis convaincu euh, que ce défi-là, nous ne pouvons pas le relever. Alhaji Amadou Mahamadou, euh, vos conseils, appels ou recommandations comme il a pris déjà une bonne part, je veux dire euh, qu'il est extrêmement important que les autorités aient une claire conscience qu'il faille une bonne volonté, puisque l'enseignant est au cœur du dispositif euh, de l'enseignement-apprentissage, il faut que les autorités puissent véritablement accompagner le processus de la mise en place de la politique de la fonction enseignante. Jafar Saleh, quels sont vos conseils, appels ou recommandations à tous les acteurs du système éducatif nigérien pour que tous les enfants nigériens en âge d'aller à l'école puissent être scolarisés dans des meilleures conditions D'abord, euh, nous en tant que représentants de l'État, nous sommes euh, appelés en tout cas à déployer des stratégies pour prendre en compte au niveau donc de la scolarisation tous les enfants en âge d'aller à l'école. Et secondo, nous nous engageons aussi à les maintenir à l'école le plus longtemps possible et à leur donner un enseignement de qualité. Ça c'est important, ça c'est ce qui concerne la responsabilité du ministère de l'Éducation nationale. Maintenant, les parents d'élèves ont aussi un rôle à jouer, c'est le rôle d'accompagnement c'est le rôle de suivi de la fréquentation, de suivi de la régularité de la scolarisation et le petit apport que les parents peuvent amener à travers les structures qui sont mises en place au niveau des écoles qu'on appelle les COGES ou les CGDES, dans lesquelles les parents se réunissent et ils établissent même des plans d'action en faveur de leur école et qu'ils exécutent à l'échelle d'un an, au moyennant les cotisations qu'ils font ou moyennant un appui des partenaires développement. L'un de l'autre, les parents sont également appelés à jouer un rôle important pour que la scolarisation des enfants soit une réussite. C'est une éducation, c'est eux les éducateurs les premiers parce que les enfants, quand ils nous arrivent, ils ne sont pas vierges, ils ont des connaissances, ils ont leur manière de faire, ils ont leur personnalité de base qui est déjà façonnée. Donc nous, nous allons en fait continuer là-dessus et essayer de la modeler. Ça veut dire que moi, j'ai dit que les parents doivent continuer à jouer le rôle qui est le leur, notamment au niveau des structures communautaires. Et chacun en ce qui le concerne doit s'occuper personnellement de l'éducation de son enfant, du suivi de la scolarisation de son enfant. Ça, c'est important. Donc, j'avais parlé du rôle qui est le nôtre en tant que représentant des structures étatiques et j'ai parlé du rôle, donc, plus ou moins des parents d'élèves. Et troisièmement, les partenaires techniques au développement doivent aussi, en fonction de nos ambitions, pouvoir nous amener, des, nous apporter des soutiens conséquents pour nous permettre de garantir ce droit à l'éducation à plus ou moins long terme. Si l'école va, nous nous sentons mieux nous nous frottons les mains et nous pouvons justement nous bomber la poitrine pour dire qu'on a posé notre pierre dans la construction de l'édifice, l'école nigérienne. De la même manière aussi que les partenaires sociaux. Nous sommes tous des Nigériens et nous sommes obligés donc de travailler en synergie pour le bien-être de l'école nigérienne, pour garantir un meilleur avenir à notre enfant et par voie de conséquence à notre pays, pour qu'il arrache sa place dans le concert des nations. Le Niger est parmi les pays au monde connaissant le plus fort taux de natalité, 3,83% par an de croissance démographique selon l'Institut national de la statistique publié le 24 octobre 2018 dans le site nigerpopulationdata.net, ralentissant ainsi et statistiquement la croissance du taux de scolarisation. C'est pourquoi l'État est appelé à mieux s'investir pour faire du droit de l'éducation une réalité et afin de doter le Niger de ressources humaines de qualité et en quantité. Nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Nous avons eu le plaisir de recevoir Alio Hassan Samna, co-coordonnateur de la synergie cause Niger Sinaseba, et Elhaj Amadou Mahamadou, inspecteur pédagogique et coordonnateur de l'Observatoire des performances de l'éducation au Niger, Open Niger. Merci à nos invités et à vous tous pour votre fidélité au programme du studio Kalangou qui vous parviennent grâce à nos 34 radios partenaires. Merci, au revoir.